C'est Auditeur de Studio Kalangu, bonjour. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de l'émission Les Niger, c'est Kalangu. À la présentation, c'est les dieux Habiba Ahmed et Mariam Comment tu vas, Mariam Je vais très bien, Habiba, et toi Ça va bien. Alors, on a quoi au menu aujourd'hui D'abord, nous débuterons l'information avec les flashs et pendant toute la durée de l'émission, nous allons savourer de la bonne musique nigérienne. Et puis nous aurons la rubrique consacrée à la santé, de la culture linguistique et pour le reportage à région, nous irons à Maradi. Dans la partie invitée du jour, nous suivrons ensemble un entretien avec le médecin colonel Oumara Maman, DG de l'hôpital national des Enders. Et juste avant de se quitter, nous aurons les sports et le lotis une spécialité de l'équipe femme du studio Kalangu. Tout au long de cette édition, nous serons accompagnés à la technique par Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition et Habibou Garba. Chers auditeurs et auditrices, pour débuter, suivant le flash d'information avec Tarnan Fouda Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Mariam, bonjour Habiba. Bonjour Pour ce flash d'information, on débute avec le Niger qui occupe la 187e place sur 193 pays classés en 2024, gagnant une place par rapport à 2022, indique le dernier rapport de l'ONU sur l'indice de développement des e-gouvernements jdi Cet indice évalue la capacité des États à utiliser les technologies numériques pour promouvoir l'accès aux services publics en ligne à travers trois dimensions, la fourniture des services, la connectivité et le développement des compétences humaines. Malgré cette légère progression, le Niger demeure dans le groupe des pays à faible développement numérique aux côtés des nations comme le Tchad et le Soudan du Sud. Depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir pour la première fois, les centrales syndicales du Niger ont rencontré le premier ministre de transition, Ali Mohamed Laminzen. Selon Kemu Yahya de l'Union progressiste des travailleurs, les échanges ont porté sur la situation antérieure par rapport aux négociations avec les préalables, dont entre autres les recrutements dans le sous-secteur de l'éducation et de la santé, les décrets d'application du nouveau SMIC, les paiements des incidences financières liées au reclassement et rappel des salaires. L'un des responsables de ces centrales syndicales d'ajouter que le Premier ministre a pris note et les a rassurés que toutes les dispositions seront prises pour convoquer le comité interministériel des négociations pour éviter les éventuels conflits de travail. Pour finir, euh, on va évoquer cette information sur la coma de Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2024, les tronçons de la route reliant Difa à Ngingimi, à l'extrême sud-est du Niger, a été coupé par les eaux au niveau du village de Giagam, précisément au PK 47, du fait du débordement d'un bras de la Komadougou, a rapporté le correspondant du studio Kalangou dans la région. Les autorités régionales ont rapporté qu'elles ont constaté que les eaux ont submergé la route sur une distance linéaire d'environ 250 mètres. Joint par les studios Kalangu, l'administrateur délégué de la commune de Difa a indiqué ne pas avoir une solution rapide par rapport à cette situation. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Tarna. Et aujourd'hui, c'est toi-même qui gères l'édition. Alors, bonne édition. Merci beaucoup. Comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons un entretien avec Omar Amaman, directeur général de l'hôpital national des Inders. Mais avant, on se détend avec les titres ténérés Salam, les tendistes. Avant d'attaquer la première euh, chanson de notre édition, on va, faire, euh, on va aller à l'entretien du jour, n'est-ce pas Abiba Oui, Mariam. En effet, dans cette première partie, nous allons invoquer évoqué les nouvelles mesures prises par le directeur général de l'hôpital national des Anders. Il a sanctionné des agents ainsi que l'exclusion de autre, tout comme celle du déguerpissement des dépôt pharmaceutiques qui se trouve aux alentours de cet hôpital. Suivons les motivations de cette décision avec les médecins colonel Omar Amaman, DG de cet hôpital, qui commence par l'application de la mesure de réduction de frais médicaux ordonnée par les autorités. Il est au micro de Mustafa Mamansani. En fait, ces décisions ont déjà été exécutées, telles que ordonnées par la plus haute instance de notre pays, et c'est désormais une réalité au sein de l'hôpital national de Zander. Nous avions procédé naturellement à une réunion d'abord préparatoire, le renforcement également et la mise à jour du logiciel de la régie des recettes, les affiches au grand public. Et enfin, le jour J, l'hôpital national de Zander a reçu la visite de monsieur le gouverneur de la région, accompagné du DRSP, pour le lancement. On a démarré et il n'y a aucun souci pour le moment. Nous avons une machine de production d'oxygène. À travers cette production, nous arrivons à céder de l'oxygène à certaines structures sanitaires étatiques. Pourquoi on parle de céder C'est une session, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de vendre. C'est vraiment à vil prix. D'ailleurs, récemment, le niveau supérieur nous a donné des instructions fermes pour que nous donnons gratuitement. Monsieur le directeur, le 9 août dernier, l'administration de l'hôpital national de Zander a publié une note d'information du licenciement de deux agents et une exclusion pour faute grave de trois femmes de l'effectif des agents de l'hôpital. Pourquoi une telle décision L'hôpital national de Zander euh, est un établissement public à caractère administratif. À ce titre, comme tout pas, il dispose alors d'un règlement intérieur et d'un statut du personnel régissant et réglementant toutes les composantes de la gestion du personnel. Aussi, par la même voie, ces documents offre la possibilité d'ordre professionnel de sanctionner tout agent ayant enfreint au règlement en vigueur. Le libellé de l'article 29 du règlement intérieur de l'hôpital national de Zander stipule que tout personnel ayant commis une faute lourde doit subir toutes les rigueurs du règlement intérieur de notre hôpital. Est reconnu comme faute lourde, premièrement, le refus de réaliser les tâches mentionnées dans le contrat. Absence injustifiée, insubordination, harcèlement, violence, vol, état d'ivresse aux heures de travail. La procédure a été respectée vous avez décidé du déguerpissement de tous les dépôts pharmaceutiques se trouvant aux alentours de l'hôpital national de Zander. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier une telle action L'ensemble des dépôts qui sont situés en face de l'hôpital national de Zander constitue une menace potentielle pour nous. Je rappelle d'abord au passage que l'existence de ces dépôts est illégale. Les propriétaires le savent bien puisque il y a exactement trois ans de cela, ils ont été déguerpis des environs de l'hôpital national de Niamey par une équipe du ministère la Santé publique, de la population et des affaires sociales, donc de l'inspection générale des services. Aussi, lors de la visite de monsieur le ministre de la Santé, ici même à l'hôpital national de Zander, il a mentionné le caractère illégal de l'existence de ces dépôts. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais annoncé les résultats d'une enquête que nous avions menée sur l'existence de deux réseaux impliquant ces dépôts. Le premier réseau était celui de recel de vol, c'est-à-dire que nous avions identifié parmi nos agents ceux qui volent nos produits pharmaceutiques pour les vendre aux responsables de ces dépôts. Et le second réseau est celui de certains agents de l'hôpital national de Zander qui rentrent à l'hôpital chargés des produits pharmaceutiques venant de ces dépôts afin de les vendre à l'intérieur de l'hôpital, entraînant ainsi une mévente au niveau de notre pharmacie de session. Et à cette occasion, nous avions sanctionné le personnel impliqué. Quant aux responsables de ces dépôts, nous les avions tous convoqués pour leur donner un délai assez raisonnable afin de déplacer tous les médicaments, tout en leur offrant la possibilité de continuer à vendre ce dont ils ont envie, en dehors, bien sûr, des produits pharmaceutiques, puisque nous sommes conscients qu'ils doivent nourrir leur famille. Monsieur le directeur, certains de vos médecins donnent rendez-vous au niveau des cliniques privées aux patients. Êtes-vous au courant de ces pratiques Tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas avec l'aval officiel de l'administration de l'hôpital, puisque nous savons que c'est interdit. Il y a encore quelques mois, même avant-hier, il y a eu une affaire comme ça, et c'est des affaires par rapport auquel nous ne pouvons jamais reculer. Nous sommes en train de sanctionner actuellement. Il y a déjà une affaire pendante au niveau du procureur nous allons continuer en même temps à sensibiliser les collègues. Des engagements ont été pris ici par les différents responsables de ces collègues-là qui vont bientôt les rencontrer et continuer à les sensibiliser pour qu'ils sachent qu'eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de faire comme comportement est interdit et que l'hôpital ne va jamais accepter cela. Alors tous ceux qui sont en train de faire, ils l'ont juste décidé de le faire en toute responsabilité. Et voilà pourquoi tout celui qui osera le faire subira la rigueur de la loi. Donc on va continuer à sensibiliser aussi la population pour que comprennent leurs droits, leurs devoirs. Le centre d'intérêt, c'est le patient. Nous sommes là pour le patient. Nous sommes obligés d'améliorer les conditions d'accueil, d'améliorer le plateau au profit de ces populations-là. Deux celles combien d'écrits ont transité dans mon bureau. Et on ne peut que remercier la communauté pour ça. Voilà, chers auditeurs, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Allons pour notre première balade musicale en compagnie d'un grenon de la musique nigérienne Garbada Anko avec les titres Gargadi. 哎。 Garba dans Anko est, une musique que vous êtes en train de kiffer. Et dans Anko est un trésor de la musique traditionnelle du Niger. Sa voix puissante et envoûtante résonne en harmonie parfaite avec les instruments authentiques fabriqués au Niger à travers les mélodies Hausa envoûtantes qu'il interprète avec tant de passion. Son dévouement à préserver et partager la richesse de la culture nigérienne est une source d'inspiration. avec la deuxième partie de notre entretien du jour pour parler de la question de sécurisation de l'institution un souci constant de l'administration qui a installé des caméras de surveillance. L'hôpital national des Andes traverse aussi d'autres épreuves à découvrir dans la suite de l'entretien avec le médecin colonel Oumara Mahaman, toujours au micro de Mustafa Mansani. La sécurisation en fait de l'hôpital, la sécurisation des équipements, du personnel, des patients et des usagers ainsi que de leurs biens est une mission statutaire qui est dévolue à l'administration de l'hôpital. Comme dans tous les hôpitaux du monde, et pour remplir cette mission, nous sommes tenus de passer par ces moyens modernes qui sont d'ailleurs aujourd'hui devenus monnaie courante au sein de beaucoup de nos hôpitaux, même de la capitale. On a dû positionner des agents de sécurité au niveau de service. Les instructions que nous avions données, c'était que tous celui qui est supposé rentrer pour bénéficier des prestations, que l'agent de sécurité s'assure que la personne a payé. C'est juste ça sa mission. Et vous êtes bien d'accord avec moi que cette mission est une mission régalienne du chef des services et du major, même si la sécurité pour contrôler les. On remarque ces derniers temps beaucoup de difficultés dans l'obtention des poches de sang et des retards pour le groupage, entraînant souvent des décès, surtout au niveau du service des urgences. Comment sont vos rapports avec le Centre régional de transfusion sanguine RTS 2 Zender. Cela ne saurait d'ailleurs se comprendre du moment où le groupage même auquel vous faites allusion est rendu en moins de deux minutes. Je ne sais pas si vous le savez. Et bien avant l'arrivée même de la saison des pluies, nous avions pris des dispositions pour ouvrir un laboratoire dédié exclusivement au service des urgences, justement pour éviter le retard dans la transmission des résultats. Cependant, vous parlez de groupage et du décès. Le lien peut être facilement fait avec la difficulté d'obtention des poches de sang. Et une réalité sans équivoque de nos jours, est par rapport d'ailleurs à laquelle nous profiterons pour vous annoncer que le Centre régional de transfusion sanguine et l'hôpital national de Zander sont deux structures différentes et indépendantes qui travaillent et s'assument chacune de son côté. Donc notre mission n'est donc pas de gérer ou de garantir du sang aux bénéficiaires, puisque lorsque nous-mêmes nous avions besoin du sang pour nos patients, nous sommes obligés d'adresser une demande au Centre régional de transfusion sanguine, comme tout le monde, tout en envoyant des proches parents aux bénéficiaires en tant que donneurs bénévoles. Donc c'est ce qui explique que force de sang, vraiment, nous n'avons rien à voir dedans, parce que beaucoup aujourd'hui parmi la communauté pensent que c'est nous qui gérons le CRTS, alors que nous-mêmes, nous vivons les mêmes problèmes que la communauté. Donc, je suis convaincu que les soucis des décès au cas où même il y a eu décès, ces décès sont certainement dus au retard donc de l'obtention des poches de sang, comme je le dis, qui est vraiment une réalité d'ailleurs dans tout le pays. Certains pavillons de l'hôpital national de Zender sont privés d'électricité en cas de coupure. Les groupes électrogènes sont-ils insuffisants pour tout l'hôpital Nous avons assez de groupes. Vous savez, les groupes, c'est en fonction des différents secteurs. Tel groupe de telle capacité qui s'occupe de tel local. C'est plusieurs services qui sont regroupés au niveau de ce groupe-là. Il se trouve qu'il y a deux grands groupes qui desservent une partie importante de certains services qui ont dû avoir des soucis récemment. Alors, comme vous le savez, nous avons un contrat de maintenance avec un spécialiste en la matière qui est là-dessus, qui n'a pas pu nous gérer le problème de ces deux groupes-là. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train de subir depuis des mois. Ils ont fait de leur mieux. On nous a fait acheter plusieurs pièces inutilement qu'ils étaient en train d'essayer. Chaque fois, on essaie, ça ne marche pas. Au total, nous, on a pris la décision de résilier le contrat donc, de ce partenaire-là. Dans quelques jours, on va signer un autre contrat. C'est vrai, on a pris du temps avant de comprendre que le gars ne pouvait pas peut-être nous les réparer. Mais maintenant, on vient de prendre une décision. On lui a déjà notifié qu'on va résilier son contrat et on a déjà eu quelqu'un avec qui nous sommes actuellement en discussion. Quels sont les grands défis de l'hôpital national de Zander L'hôpital national de Zander a franchement besoin d'une extension. Nous avons également besoin d'une création de certains service Parce qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont là, qui nous ont été affectés par le niveau central. Mais euh, si vous regardez la configuration de l'hôpital national de Zander, vous saurez que nous n'avons aucun choix puisqu'on ne peut pas faire l'extension. Mais nous sommes en train de réfléchir avec le niveau central pour contrôler d'autres possibilités puisqu'il y a toujours euh, un plan B. Parmi les besoins cruciaux aussi, il faut noter ce besoin pressant du scanner de l'IRM qui, Inch'Allah, vont être livrés dans maximum deux mois et demi. Cette promesse du CNSP coûtera quand même à l'État du Niger une somme de 3 milliards de francs CFA. Le marché de l'achat de ces deux grosses machines a déjà été attribué. Nous avons récemment procéder à la remise officielle des sites aux partenaires. La mise en formation du personnel est actuellement en cours. L'État du Niger est en train de les envoyer en formation, ceux-là qui vont manipuler les machines. La construction et la réhabilitation des bunkers est actuellement en cours. Ça, les bunkers, c'est l'endroit qui est supposé abriter le scanner et l'IRM. Et on nous a fait savoir qu'en tout cas, si tout va bien, dans un délai de 75 jours, les deux livraisons, Inch'Allah, auront lieu ici à Zander. C'était l'entretien du jour. Chers auditeurs, on prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Habiba place à présent la rubrique hebdomadaire. Oui, Mariam, dans la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi, nous allons parler de la tuberculose qui est une maladie infectieuse qui affecte surtout les poumons, une maladie qui touche un grand nombre de personnes au Niger. Mais cette pathologie est aussi guérissable selon docteur Oumara Ibrahim, pneumologue au centre d'élite antituberculeux. Il est au micro de Habiba Garba. Docteur, qu'est-ce que la tuberculose La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse qui est, euh, guérissable et qui est, euh, est mortel. Le mot guérissable, nous insistons là-dessus parce que si le malade respecte très bien la prise de son traitement, euh, il peut guérir sans séquelles. Alors, quels sont les facteurs favorisants Merci madame. Les facteurs favorisants, ils sont nombreux. Euh, parmi lesquels on peut citer la malnutrition, on peut citer l'immunodépression. Cette immunodépression, elle peut être due au VIH, euh, aux autres maladies comme le diabète, euh, la pauvreté et tout ce qui baisse l'immunité chez l'être humain et peut favoriser l'installation de la tuberculose, surtout la proximité dans nos pays. Quelle est la cause de cette maladie, docteur la tuberculose, elle est due à une bactérie qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis. Donc c'est une bactérie qui appartient à une grande famille et il y en a d'autres aussi. par exemple, on peut citer le bovin, la forme bovine qu'on peut prendre en mangeant de la viande de bœuf ou en buvant le lait. Ces germes, il faut préciser qu'il est rare. C'est surtout le Mycobacterium tuberculosis qui est fréquent quels sont les signes de la maladie Alors, le malade souffrant de la tuberculose, il a ce qu'on appelle les signes d'impréhension tuberculeuse qui sont au nombre de 5. Donc, il y a l'amaigrissement, il y a l'asthénie, il y a l'anorexie, il y a la fièvre vespérale et il y a la sueur nocturne. En ce qui concerne l'amaigrissement, c'est le poids du malade qui va diminuer. C'est un malade très amaigri qui lui-même et les autres vont constater que son poids ne fait que diminuer. Euh, l'anorexie, c'est le fait de ne pas avoir l'envie de manger. Donc, euh, le manger est devant le patient, mais il n'arrive pas à manger. L'asthénie, c'est la fatigue. Si c'est un enfant, vous allez voir qu'il ne joue plus comme euh, avant avec les gens qui ont le même âge. Et si c'est un adulte aussi, de plus en plus, il sent la fatigue. Et la fièvre, c'est surtout la fièvre le soir. Elle est toujours euh, présente malgré la prise des antipyrétiques, c'est-à-dire le médicament qui casse la fièvre. Et le malade a toujours, le soir surtout, la fièvre. La sueur, elle est nocturne, c'est surtout la nuit. Donc quand le malade souffrant de la tuberculose, il dort la nuit, il va voir qu'il sue un peu la cire au niveau des front, au niveau des aisselles, au niveau des laines, etc. etc. Ça, ce sont les signes d'imprégnation tuberculeuse. C'est toutes les formes de tuberculose. Maintenant, la forme de tuberculose pulmonaire, le malade, il va tousser, il va cracher, et, cette toux va durer plus de deux semaines. Comme nous le savons, le malade va essayer de prendre des traitements. Malgré la prise de traitement, la toux va toujours persister. Donc c'est en ces temps-là eh, qu'il faut venir à l'hôpital eh, parce qu'il y a une toux persistante et il y a ces signes que j'ai cités plus haut. Il fallait eh, donc euh, que nous voyions ces patients et nous demandons ce qu'on appelle l'examen des crachats qui est facilement faisable un peu partout au Niger. Dans tous les centres de santé, nous avons ce qu'on appelle les CDT, c'est-à-dire le centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Donc le malade donne seulement le crachat. C'est un examen qu'il faut préciser qu'il est gratuit et le résultat va nous préciser. Dès que le résultat est positif, donc on pose le diagnostic de la tuberculose et nous sommes prêts pour le traiter. Alors, docteur, comment se fait le traitement Le traitement, il faut préciser que c'est un traitement un peu long. En fait, c'est le seul euh, traitement qui va jusqu'à six mois pour la forme pulmonaire. Pour la forme ganglionnaire, c'est au-delà de 6 mois, la forme cérébrale, c'est jusqu'à 9 mois, et la forme osseuse, c'est jusqu'à 12 mois. Le traitement consiste à donner euh, donc des molécules. Les molécules sont associées euh, dans des comprimés, donc c'est des gros comprimés un peu de couleur rouge au début, et euh, qui sont composés de quatre molécules. Et selon le poids de nos malades, on donne donc ces traitements. Donc le malade, le matin à jeun, il prend selon son poids le nombre de comprimés qu'il faut et une heure de temps après, il prend son petit déjeuner. Et là, eh, nous donnons des conseils au malades en lui précisant que si jamais il voit eh, une réaction cutanée ou bien des céphalées ou des douleurs abdominales ou des vomissements, il peut à tout temps venir nous rejoindre pour qu'on fasse ce qu'on appelle la gestion des effets secondaires. Ou bien si le malade fait une insomnie totale, là nous serons obligés d'arrêter les traitements, d'estabiliser le malade avant de reprendre le traitement plus tard. Donc je précise que c'est un traitement un peu long, c'est pendant six mois. Au cours de ces six mois, nous revoyons le malade chaque fois pour faire des examens de contrôle. On a un examen de contrôle à la fin du deuxième mois, on a un examen de contrôle à la fin du cinquième mois et nous avons un examen de contrôle à la fin du sixième mois, au cours duquel, quand cet examen est négatif, nous déclarons guéri notre patient. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire à santé réalisée par Habiba Hameda. Faisons un autre tour en musique avec les titres Didi d'Abel Zamani. Yeah, yeah, yeah, yeah. Suka gorko zamani mako. Ils sont samnés. Ils sont samnés. I don't like you, I focus on my wife. What just happens to us the inch? Kata da kawo kyakkyawa, zuciya fari kamar balbela. didi, didi. Gimbiya ce Bar, qui membre du célèbre groupe Tende Abel Zamani, est un artiste multitalent. Il fait ses premiers pas dans la musique avec son père dès l'âge de 8 ans. Après la disparition de ces derniers en 1999, il quitte la ville de Tawa quelques années plus tard pour s'installer dans la capitale Niamey. Très vite, il crée un groupe de breakdance avec lequel il participera à, il participe à plusieurs concours nationaux et internationaux. C'est dans ces mouvements qu'Abel Zamani et ses amis organisèrent un spectacle géant qui sera aussi le dernier du groupe. Abel s'envole alors pour le Ghana en 2009 afin de réaliser les rêves qu'il a toujours partagés avec son père, celui d'être un chanteur Très rapidement, il a reçu plusieurs singles à succès. Sur Bajo, Love Matata ou encore les titres Didi sortis en mai 2023. Voilà, chers auditeurs, c'était là les titres Didi d'Abel Zamani. Passons à présent la rubrique Reportage régional. Eh oui, Mariam, dans la région de Maradi, l'insécurité reste une préoccupation majeure. La population vit dans l'angoisse quotidienne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la commune de Gabi, où le chef du village de Bokota, Dandama, Alhaji Issoufou Oumarou, a été enlevé il y a un an par des bandits armés. Il revient avec nous sur ce douloureux épisode qui a marqué sa vie et sur les défis sécuritaires auxquels les autorités coutumières doivent faire face. Reportage signé Mohamed Mamad. Courbé avec sa houe en main, en train de désherber son champ, El agit Soufou Marou, chef du village de Bokota Badama, dans la commune de Gabi, a été enlevé par des bandits armés il y a de cela un an. C'est dans son champ que je le rencontre pour évoquer ce douloureux épisode de sa vie. Eh, en réalité, j'ai moi aussi été victime d'un kidnapping qui s'est produit chez moi. J'ai été enlevé et retenu pendant deux mois dans la brousse. Juste après mon enlèvement, mes ravisseurs m'ont demandé si j'étais le chef du village, c'est à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Ils m'ont alors annoncé que la sentence prévue pour mon enlèvement était l'exécution. Toutefois, ils ont changé d'avis et m'ont informé que je devais désormais payer une rançon pour être libéré. Durant ma captivité, j'étais enchaîné et ils ne me donnaient qu'une seule portion de pâtes pour toute la journée. Il se souvient malheureusement de sa détention comme si c'était hier. Il a été retenu pendant deux mois en pleine brousse, sans aucun repère, au fin fond du Nigeria. J'étais détenu au Nigeria dans un endroit tellement broussaillé qu'il était presque impossible de distinguer quelqu'un à distance. Pour avoir un minimum de confort, j'étais obligé de couper les herbes autour de moi. Mon enlèvement a eu lieu pendant la saison froide et je n'avais sur moi qu'un boubou léger. En voyant que j'ai grelotté, l'un des ravisseurs a finalement eu pitié de moi et m'a donné une chemise pour me couvrir sur le chemin du retour au village, avec un regard perdu et des pensées lointaines, Elhaji Issoufou Marou me raconte ce qui a conduit à sa libération. Pour obtenir ma libération, il a fallu verser une rançon de plus de 6 millions de C'est mon propre fils, un commerçant qui vit également au Nigeria qui a réuni et remis cet argent. Nous étions huit personnes détenues par ces hommes armés, cinq hommes et trois femmes. Nous avons énormément souffert et ils nous battaient violemment. Toutefois, vers la fin de ma détention, leur chef a décidé de me protéger en menaçant de mort quiconque tenterait de me frapper. Cette situation d'insécurité est une préoccupation majeure pour les autorités coutumières. Le chef de canton de Gabi en témoigne. La situation sécuritaire dont vous parlez s'est améliorée grâce à Dieu mais la population vit encore dans la piscose. Ces bandits ont trouvé une nouvelle méthode. Ils enlèvent désormais des personnes pendant qu'elles travaillent dans les champs. De plus, ils adoptent maintenant des tactiques pour contrer les actions des militaires nous demandons aux autorités d'intensifier les patrouilles, notamment en plein jour. E L'insécurité persistante qui règne dans cette partie sud de la région de Maradi depuis plusieurs années perturbe gravement la quiétude sociale. En plus des nombreuses personnes tuées ou enlevées, elle a engendré un appauvrissement sans précédent de la population. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est à 10 et nous sommes avec Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Alors, à un championnat est organisé actuellement au Boxing Club de Niamey pour les comptes de la boxe nigérienne. Oui, effectivement, c'est une initiative de la Fédération nigérienne de boxe. Toutes les régions du pays participent à cette compétition. Une compétition pour la boxe, de rajeunir et de donner un nouveau souffle au noble art nigérien et surtout que la jeunesse s'intéresse beaucoup maintenant à cette discipline. Pour rappel, notons que la première médaille olympique du Niger a été remportée par Isaka Dabori en Allemagne lors des Jeux olympiques. Le Niger a eu sa deuxième médaille olympique avec Abdrazak Alfaga du côté de Taekwondo. Guruza quittons le Niger pour le Congo-Brazzaville où des légendes du foot africain sont allées apporter leur contribution à un centre de foot des jeunes on ne parle pas de qui est beaucoup, mais oui, il s'agit du Camerounais Samuel Eto, du Nigérian Okacha, du Sénégalais Elhaj Diouf, du Togolais Adebar et du Ghanéen Asamoa. Ils se sont rendus au centre de formation de foot à Alima, au Congo-Brazzaville, pour des jeunes. C'est centres, c'est un centre qui héberge des jeunes pour partager leur savoir-faire à ces jeunes car c'est un centre qui fait la promotion du foot chez les jeunes, suivi également de leur scolarité. Ils ont été reçus par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Voilà pour le sport. Merci Grouza, à bientôt. Merci. Chers auditeurs, place à présent au portrait du jour. En effet, Abiba, la rubrique portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Mme Lise Gonja, âgée d'une cinquantaine d'années. Elle a comme rôle dans les CSI recasement de la commune Indoniame de maintenir un environnement sain, hygiénique et confortable pour les patients et le personnel médical. Un travail qu'elle a commencé il y a huit ans. Son portrait avec Oumou Moro. irsi kada loktor kwara kan gore kazima komin sintina nyamai galu dunkara kir sabanda madan liz konja de salno kango sesiora agoga farha nonkiga safaraite awgi hannandi goyawo womo ana sintin kasango jiri hakkune ya fahamai ne ya kanga na goyowo sintin da ai goyo matkai sintin da fisibilai ai go gorfu ay gogo won safara tegnere ngete kan irko dognandi wat kulegi jingar ware irko me no goy kan ay mo ay gadugu amfana ra gadugu zan kai wani zaman albora a le trati si gadugu wa amma irko ko dogananti ay gingaro irko taise ngo deno ay gogoro kala ay kerfo saj fo ne ke ane he ane luis kanewo ane em kone nim pemi ane te fakare webole filan zamo har ay ne to ay ka ay go fakare te kalir ko yeg dognanti yega ci ci tuberculose rabor kanga wan français kanga hinga hantum kanga ninga ciow ay ka ay furwodi ni irgo te wodin ken ken ken ken kena ni di irgo gogo donanti irgo mara kani ko mo ir yega ka irgo fakare to fa pami pemi bore yegir sambu irnogo te lotu loti wodi girbitaci imir bana de dore dore kaga blala irmi loktore gana imite vaccination polio ite vaccination polio vaccination rougeole vaccination meningite ay wo fi de salno ay gir hakantane ya dir biya tun dir ka pemi aiwo ai ga habu de habu ai dan omo de o de javel son irma habu irma tusu irma batama habu irma tusu kan ga nan batama bori bori kul kanka kul de re nono haya e baka gar batama ga bori ga gandan ga tusu ba de goyo ka di ga ba fa bori kan gi sambu goy hin gi sambu goy wani mo de irgo te mo irgo e taga ai won ko sabu irgo ware mo inda irkile mo irko tala birga irgo mi sint e ko mi ko de kina madam bubakar fatuma gina funano pevu kambo kanga ga hagoy de kemsa cse re kazamara agoga liz konja zuga da da gwai hanna kaga te loktor kwarara suna da kokarin su sun sun zo nan ga suna shara ba biya ake musu ba amma dai su sun sun zo su mana shara su goggoge suna kamawa suna gyara hilin gidan ma suna share shi suna gyara amma dai ba su da biya dai a wata in ya mutu min akwai wani aiki ne aka yi ka wata activity haka suna zuwa cikin unguwa suna sensibilizan mata in an samu wani abu ciki sai a rika ba su wani kuɗi ciki haka aikin ta kai tana da kokari kinga tana ma sensibilization bisa aikin ma video sal tana huce ma domin in tana karawa kuma tana yi wani sai dai mu ce masha Allah goyowo kan lizu konja gote a rana gogadu hankan na muradu feri da wani almiyalai a wani muradu ka dangine gati a goyowora kati amadu handukul kambu a banan dogo kai amadu ka tangamda bafunai sendo banan godu borgde mo borgde fojire gon mo ni no hirme jira se tagde gor won bo gomni no ay go walla fi sibillahi e tago yo ay go nit ko sa contract go tedin irgo te go girbana irgo ngware mo e taga irko e ta tonton am bakar se gir sambu goy kan jiro hando bu am du hanka girno irmo du gde hanka irgo wa ma am ter se matricule bor kulu irmo du irtire yan so ke de hando bu irmo du bakena irmo tonton de irko to contract irmo yegutu irgo gi jingar ngware mo e ta irko tonton ase irko mo kodade jina irgo fakare ge tebore se ga ki bore se filara wo sobe ga kape mi gnesi wo sobe ga kape mi gugundi gundi nesi ga ke nesi sa ara mi tonanti sande kan ga se gite dai sanke ngwaro arkir kare goino savunu goino kun mo sako atonto de go ngwari kun dognandi pe mi bore ibe dognandi e ta bore dognandi ga bakar se gre fa ba gerga an ka bu irma budu han kergudu gudu gudu sanke ga C'était les portraits de Madame Lise Gogia réalisés par Oumu Oumoru. Chers auditeurs, et notre tour en musique avec les titres de Mulmula de l'artiste multifacette Mamansani. shegantaka ada mulmula rawa ba shegantaka ada mulmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa ada mulmula gantaka a da murmula rawa ba gantaka a da murmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki a da murmula rawa yan nijar duka jama'an nijiyar salamu alaikum na ce dan ita sallama cikon musulunci ke. kuna ta na canza da farko farkon yin duniya da Allah ya aiko mala'iku a wajen dan adam magana da sun ka fara yi musa ita ce sallama ta zo tamka addu'a ba fatan arzikawa suka yi musa kuma ba fatan yin mukami suka yi musa ba fatan in macutar suka yi musa ba fatan ƙaryi iko ko kyawo sun mashi fatan lumana ta ubangiji ta tabbata gundan adam da mun rayuwar bil adam a nan sararin duniya duka su sauka ce ma tarihin rayuwar soyayya da lumana da aljanna nan kasa take sirrin duniya ba ta wuce nijar ba kai domin addu'a a da mulmula rawa ko shegantaka kai kai a da mulmula rawa ba shegantaka a da mulmula rawa ta zaman a soyayya lami lahiya cikin al'adunsu ko da halin cuɗayya ta hanyar tafashin taka kasar da an kasan da rashin dan adam tarihin tarbar tarbabba lalle babu kamar nijar kwakwaran soyayya tsakanin bil'adama sai in ka zo nijar har ma ka ga isa kamu da arziki mai dimbin yawa ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka kuma filin wasan takadin mulmula adam da rawa ko shegantaka soyayya da lumana lumana da farin ciki yawa a da mulmula rawar yan nijar duka kusan hali yau talakawan nijiyar ba san ba ta'addanci bare karan bindiga tun daga tera har ka dance da gingimi ka dauko daga bilma har ka zo nan toro da wata yanwa ko malati har da matan lauci ba su hana mu ba rayuwa cikin soyayya da lumana ina arziki دمل دمل دمل ملح annonce la rubrique Lotti offerte par l'équipe Fama du studio Kalangu. À un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Reki et Fanta Shamsou en parlent dans cet échange. Hey! kike gani haka? Safi ‘yar uwa ke ce? Masha Allah, wai na jima da ki. Ya ne kina lafiya? Alhamdulillah, umma wallahi mun jima da juna. Kwarai kuwa, an ya mu kai shekara biyu ma. Kwarai kuwa. Tun bikin bebenki Ridwan. Mm. Ya ma yake da dama shi. Lahiyar shi lau. Na bar shi a gida umma, kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya. gaskiya kina da gaskiya ni ma ba ni iyawa don gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro wallahi kenan tare da baban shi ki baro shi baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki a to shi kenan To da wa kika baro jaririn halan dai mai reno gare ki. <laughs> Umma wallahi ban da mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara biyu ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe ƙohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi insha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na na ɗauko riguna na kwamkin san akan hanyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Safi. Me aka yi? An yi hakan ki ɗaya kuwa. Ke wace irin uwa ce? To, Umma. me hankalin ki ya tashi haka don na ce miki na bar riduwan shi kaɗai a gida me yake yi abinda na saba barin shi haka nan shi kaɗai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana san yana barci ba abin da ya dame shi gaskiya ni ban taɓa ganin uwa irin ki ba to ƙaƙa ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito ki kwanci salim alim kina yawo cikin gari an yakin sa irin haɗarin da ke ɗauka kwa ƙoƙari ma gare ki. Ke umma a ji hankalinki babu wani abin da zai same shi kuma ba ƙarshen duniya ba ce don na bar Ridwan shi kaɗai a gida. Kuma ba na farko bane matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci. Amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida. Safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba bai kamata ba sam ki bar yaro shi kaɗai cikin gida. yaron da yake buƙatar kulawa a koda yaushe kin ga ɗanki Ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taɓa kwakwalwar shi taɓa kwakwalwa kuma ke ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi ba ne. shi dai larurar kwakwalwa bata san ba launin fatar mutu ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taye miki wata barna cikin gida ba na miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗurran cikin gida Haɗarin cikin gida kuma me wannan? Haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa. Yara suna da ɗan karan ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya ta cikin gwadalarki ya kunna gas gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. Kai subhanallahi, subhanallahi, Allah ya kiyaye mu, umma, idan danki ki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abu da Allah bari, ban na so. Ba da in baki tsoro ba ne bagora, ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata, amma ya kamata ki gane, kuma ki kula, ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida. Ba abu ba ne mai kyau, kina iya idan zaki huta, ki tai ki kai ma makotan ki shi kamin ki ƙare yawon ki. ko kuma ki samo mai reno ta kwarai ingantacciya ta gari. Wallahi kina da gaskiya. abin da kika haɗi mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan yanzu abin da nake so kawai komawa gida in je in ga yadda ridwana yake wayo Allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau kwantar da hankalin ki safi insha Allah kin isko shi lafiya ki yi maza dai ki shi gida Allah ya kiyaye ɗanki. amin amin taxi taxi taxi haro banda les filles, chers auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalongo, c'est aussi de la culture linguistique, un voyage à travers les mots et expressions. Et ce matin, nous sommes avec Asuma Nashina qui va nous expliquer l'expression langue des signes en Hausa. Bonjour. Bonjour Abiba, bonjour euh, Mariam. Mariam. Voilà, effectivement, donc c'est l'heure de cette rubrique culture linguistique. Euh, Tony Dahosani, Hausa ne un commentaire Hausa ko? To Marla, masu mu barkamu da kasancewa a ko kuma ɗan gutsure na baku ma'anar kalmomi a cikin wannan babban shiri mai suna Niger Sir Kalangu. To da ke kasancewar ranar 23 ga watan Septembar na kowace shekara ranar harshen alama ce ta ƙasa da ƙasa wato Journée International de Langue des Signes. A yau kalmar da za mu baku ƙarin bayani a kanta ita ce harshe. Idan kuma an ce harshe ana nufin magana ko yare. to shi dai harshe tsarin sadarwa ne na al'ada kuma na musamman tsakanin 'yan adam wato mutane su ne ke magana eh, a yi tsakanin su kuma ya danganta da al'umma kowace al'ummar na ta harshe irin yadda suke gane ma juna kuma da yana da kyau a ce an yi wa mutum magana da harshen sa wato na uwa kenan wanda yake ji sosai saboda a ga cewa ya gane abin da ake nufi ya fahimci sakon da ake son Eh, isar masa ko kuma magana da ake yi masa ya gane ta sosai to amma anan ana magana ne musamman akan harshen alama wato ba magana ake yi da baki ba amfani ake yi da alamomi na hannuwa ko kuma da kai ko kuma dai wata gabar jiki domin a isar da sako ga mutumin da ke ake bukatar ya gane abin da ake nufi eh, ma'ana dai wannan harshe na alama harshe ne na kurame ko kuma a ce na mutane masu matsalar ji suna ji amma ba su ji sosai mm. wani bangare ana kiransu da suna bebe ko to ita wannan rana an kirkiro ta ne domin tallafawa da kuma kare tushen harshe da bambanci al'adu na dukkan mutane da kuma eh, wata ko kurame ko kuma waɗanda ba su ji sosai kuma da duk irin mutanen da ke amfani da irin wannan harshe da cewa na alama kenan ana sa akwatan da cewa bai kamata a ɗauki waɗannan mutane a matsayin nakasassu wato andikafe ka a ɗauke su andikafe ne kawai ana kwatanta cewa suna da damar samun alaka da wani karamin bangare wato minorite na al'adu eh, cultural kenan da kuma harshe wato ana son a da da cewa su ma ai mutane ne kamar kowa akwai harshen da ya kamata su yi amfani da shi saboda ya kamata su yi sadarwa tsakanin su saboda a gane su gane rayuwar duniya su ma a gane abin da suke ciki a rayuwa ta yau da kullum kun ji ta eh, ma'anar wannan wato langa da sinyo kenan Merci Asmana China pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. C'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. suna na Mamman Sani Dauda, ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. To a gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna ƙayatar da ni sosai-sosai, musamman ma shirin su na mu haɗu a fada. wanda suke yi ga matasa gaskiya shirin nan yana ƙayatar da ni kuma ba na bari ya bar ni to mu dai shawara ɗaya ce muke so mu ba su akan tunda su suna aiki da yanar gizo-gizo Suna wallafa duka abubuwan da suka yi a shafin su na Facebook. A Facebook ma muna tare da su. Kiranmu da su mu Afirka musamman ma nan Nijar matasa sun fi amfani da harshen Hausa. Ya kamata a ce idan za su dinga yin postin su dinga yin Hausa za su gani yanda za a dinga bibiyar su ɗari bisa ɗari kamar yanda su BBC ake su doci bala za su gani. Ina musu fatan alkhairi. Muna kuma fatan za su ci gaba da shirye-shirye wanda suka fi wannan ma. Kuma wannan shirin da suka fi na kwanan nan ma, wannan shirin shi ma yana yi sosai sosai. Daga karshe ina gaida dukkan ma'aikatan radio Studio Kalangu da ma'aikatan gidajen radiyyika na Nijar baki daya Akwai abokina Mutari Basiru wanda yake gidan Radiyo Shukura Zandar. Akwai. babban daraktan nasu a liketa ina gaida abokina Babaye Gambo akwai Babaye Lefe ina gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka na jamila studio kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake wayan muna da kai na dangin rayuwa da bidan incin kanmu gaskiya muna farin ciki da shiya muna jin daɗi saboda mu abin nan da an ka buɗa kawai abin gana an kai mana kawai ci gaba na mata ana samu cikin sashi ana tunuwa da mu ana waye mana kai gaskiya muna jin daɗi ne gaskiya saboda ci gaban mana sunana muhammad nazir masaud abdulkarim video kalangu gude muna muna mata fatan alkhairi sai dai mu ce daga cikin shirye-shirye da suke akwai shirin na wanda ake kamar bayyana batu na basa fada ana yawan tattaunawa a basa kan abin da yake rayuwar mu ta yanzu eh to gaskiya wannan shirin yana da kyau a ƙara kaimun shi kenan saboda ko ina cikin ƙasa a rinka jin shi duk da ma dai suna da shirye-shirye masu kyau ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma isma Ismaila Alhaji eh, Ishaq. Kuna magana da Ahmadu Mafi Mushkila. Eh wannan shirye-shirye na gidan radiyo wannan mai albarka. Ubangiji Allah ya yabuka shi muna jin daɗi sosai sosai. Alheri ne Allah ya ƙara ɗaukaka shi da wanda suka yi tsaye a kan shi Allah ya ɗaukaka su. Ina gaida duka jama'a kowa da kowa. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, pour boucler notre playlist, on vous laisse kiffer avec une guitare.

غلك ايه هالقلان مكتوبة بيتين تنصان وكان نسغة بشيدة غسان قلت اللهم اخلك دي قلان ارنك وارك هو دي ولا الجين نصرادة نصان جسيني قلو زند شنانة هاي قاسم دسي حد تنفات تلو دمنا مقر ديلان دم في التلاتي لسمدان ويمك كان انا تكويان ناس اصلا دفو سيريولا تلبنكيني قاوص لو ينغان تروتي كنتي تليلان تهور الترى يلا يسان تسينا سنة كيل سكين فان الجماعة تجيك اللي يربان كنا تقول موسيقى في قارن باشي ترى السقس انا مالي ترى مالي انتم ما جاك تمداد انك تقرا شي تر وتغراز تغر وتكتبت فينا تقات النية تاتي تنفاد دور نلتفي جكرا دمدان ارادا سقا وادي ينفان غير غاسي سلمان سيمي كركرا للشي وشام بعد زاني بتهوزن كي يقلال مجي دي مقردا كي ينغان تنيل السدون انك فران يباجي غصفنا دي يقلان اقينا مكاد الكزولان في غاسي ياسس انتمتار ما تكلم وايو كرن دنجي وايو كرن تاقزو تيو كرادان لكني دار غصورنا لا تبقى قسمة

de ce mardi 24 septembre 2024. Vous étiez en compagnie de Habib Ahmed et Maria Madi. C'est un plaisir de partager cet instant avec vous, chers auditeurs. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangon, c'est dit à 17h pour notre programme de désert qui débutera avec l'édition en français. Merci à Habib Garba qui a l'édition et à Amina qui était à la technique. Très bonne journée à tous.